chers auditeurs et auditrices du Studio Kalangou, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangou en ce mardi 16 juillet 2024. Je suis Salamot Kadri avec moi, Mariam Adé pour la présentation. Bonjour Mariam. Bonjour Salamot, comment vas-tu Je vais bien, merci. Nous adressons également un petit coucou à ceux qui assistent de l'autre côté de la vitre du studio à la technique, c'était à la technique, c'est Mustafa Ayouba et Adam Adawa qui à l'édition. Alors, euh, Sali, qu'avons-nous au programme pour nos les auditeurs ce matin Aujourd'hui, Mariam, nous avons prévu une bonne dose de musique nigérienne, comme d'habitude, pour le plaisir de tous ceux qui sont à l'écoute. Il y aura également du loti avec les femmes du studio Kalangu, la page sport et sans oublier le flash. Ce matin, notre invité du jour est M. Abdullah Tahir Gali, un artiste rappeur nigérien connu sous le nom de Les Justiciers ». auditeurs du studio Kalangu, nous commençons avec Rafika Tahera pour le flash d'information. Bonjour Rafifi. Bonjour Sali, bonjour Mariam. Bonjour Rafika. Alors, euh, Niamey a abrité pour le flash de ce matin, hier 15 juin 2024, une table ronde de mobilisation du ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales et des partenaires techniques et financiers sur la mise en œuvre du plan de passage à grande échelle, page 2024-2027 pour l'intégration des services de planification familiale, du postpartum et de santé maternelle, néonatale, infantile et nutrition. Au sortir de la table ronde et après analyse et échange sur les défis et perspectives, les partenaires techniques et financiers du secteur ont réaffirmé leur engagement à accompagner davantage le gouvernement à travers la mobilisation des ressources et une plus grande synergie d'action des acteurs pour accélérer la mise en œuvre de la stratégie de passage à grande échelle de l'intégration des services de santé reproductive maternelle, néonatale, infantile et nutrition SRMNI Nutrition 2024-2027, ce qui permettra au Niger d'enregistrer des progrès significatifs dans l'atteinte de l'objectif 3 de développement durable des Nations Unies et surtout d'améliorer la santé ainsi que de sauver la vie des mères et des enfants. À Tawa, 93,83% des villages agricoles de la région ont effectué les semis à la première décade du mois de juillet. Ils sont au total 1869 sur l'ensemble des 1992 villages agricoles de la région répartis dans 12 départements et de la ville d'Ottawa, a annoncé la direction régionale de l'agriculture. Par contre, pour cette première décade du mois de juillet 2024, le département de Bagarou a connu un avortement de culture de 1000 au niveau d'un village. Le stade phrénologique du 1000 à cette même période est de 48,6% pour la levée, 39,7% la levée avancée, 11,3% de talage et 0,5% de montaison. Enfin, la campagne Hakiyara en faveur de l'enregistrement des naissances se déploie progressivement à travers tout le pays. Au-delà de l'objectif de faire enregistrer un million d'enfants d'ici la fin de l'année, la campagne Hakiyara vise à susciter une prise de conscience pour une déclaration systématique des faits de l'état civil dans l'enregistrement des enfants dans un délai de 60 jours à partir de la naissance. Ainsi, en facilitant l'accès aux services d'état civil et en engageant les populations, le gouvernement et ses partenaires s'engagent à bâtir un avenir où chaque enfant est reconnu et protégé dès sa naissance. Et voilà pour le flash de ce matin. Merci Rafika pour l'information. Je rappelle notre <coughs> invité du jour et M. Abdoulaye Attar Gali, un artiste rappeur nigérien connu sous le nom de Le Justicier. Bonjour Le Justicier. Oui, bonjour. Avant de vous donner la parole, écoutons une de vos chansons qui a pour titre People. ɗanwana elwata na kudu gaba sarewa da yamma so mu kama ma juna mu da kudu guda ne Shauta muti ba ta wani ba mu tashi mu da kasanmu kasa mai girma kasa mai dagaja mai albarka ikon Allah ne ba na wani ba su je su roƙa su bar mana tamu yawa kar mu bar mahasada su zo su goda mu yawa kar mu ba su damar su zo su raba mu yawa mu daina yakin juna people, Magadi people, yame people, Tawa people, Tilaberi people, Zander people, people, my people. besoin de tout le monde pour combattre les faux éléments. les morts. Pour sauvegarder la patrie, notre patrimoine, nous devons croire en nous, nous devons croire en force. We are strong, we are small, we can if we want. United is over, the best is in us, the best is way for us. Let's go, my people, we belong to God. We are his slaves, not of men. People, we are all. My people, we are all the same. Naizo waimo. Irmatinga fo baba falong. Retour au studio après cette pause musicale, nous sommes avec Monsieur Abdoulaye Atar Agali, un artiste chanteur euh, nigérien connu sous le nom Le Justicier. Bonjour Le Justicier. Oui, bonjour, vous allez bien Alors, Le Justicier, parlez-nous de ce titre People. People. Mm. People euh, que j'ai créé en 2023. un titre qui parle, qui fait appel à l'unité qui fait appel à la solidarité, la cohésion sociale, l'entraide, la tolérance et l'équité. Voilà. People, quand même, c'est en anglais, non Oui, people, c'est en anglais. Dans ce cas, vous chantez aussi en anglais Bon, je chante aussi en anglais, en haussa, en zarma, en français. Ok, d'accord. Dis-nous maintenant qui est le justicier Le justicier. Le justicier, bon, je m'appelle Abdellah Abdullah connu sous le nom d'artiste Le Justicier. Je suis enseignant, artiste basé à Yantala. Voilà. Et pouvez-vous nous parler de vos débuts dans la musique Bon. Mon parcours, vous savez, mon parcours n'a pas été sans défi. Parce que quand on est artiste, surtout ici au Niger, on rencontre, il y a toujours des hauts et des bas. Raconte-nous, on aimerait savoir. Oui, bon. <laughs> Les problèmes, bon, les défis, des fois, c'est des défis. Il y a toujours le côté financier. Parce que pour faire les enregistrements, réaliser les clips, je vous assure, c'est un sérieux problème qu'on affronte. Mais vos débuts, parlez-nous de vos débuts dans la chanson. Un beau jour, vous vous êtes levé. Bon, ah, bah, un beau jour, bon, ça a commencé tout avec des écrits, des inspirations qui viennent à toi de partout. Et là, j'ai commencé à écrire, c'était en 2019. Et maintenant, j'ai fait ma première apparition sur la scène musicale en 2022 avec le titre de Samadakasa euh, qui parle des réalités de notre société. Et après maintenant, j'ai sorti Ça me fait mal, un titre aussi qui traite de la trahison entre les frères et soeurs... Et après maintenant, en 2023, j'ai fait sortir criminel dénonçant les criminels qui nous pillent et qui nous massacrent. Et après, ensuite, euh, un roi qui fait appel à l'union et à l'autonomie. Après, maintenant, je voulais pour euh, faire sortir en avant, pour encourager l'alliance des États du Sahel. Et là maintenant pour terminer avec People, comme je l'ai dit, pour vraiment solliciter l'unité, la cohésion sociale, la solidarité, l'entraide, la tolérance, l'équité à mon peuple. Est-ce que vous avez des artistes qui vous inspirent euh, ici ou bien ailleurs Bon, bon, il y a des artistes ici. Comme qui alors Bon, bah, je prends. Il y a blackmailer. Voilà. Blackmailer, bon, Barakina et autres. Quoi. D'accord. Oui. Alors, euh, parlez-nous de vos collaborations rêvées. Avec qui aimeriez-vous travailler dans le futur Bon, bon. J'aimerais vraiment travailler avec, euh, avec tout le monde et surtout ceux qui sont sérieux. Faire des featuring Faire des featuring. Vous avez déjà à faire des featuring ici avec d'autres artistes Bon, pas pour le moment. Maintenant, vous vouliez seul ou bien l'éolien Ok, d'accord. Chers auditeurs, avant de continuer nos échanges, nous allons vous laisser souffler à musique avec le titre ou Oua de notre invité, le justicier. mun kai su a sama da su kai musamman sun mu a kasa a kasa ko ma ba aiki sai zama sai zama ga hama wa ansu a fada a fada a baga wa ansu a hannu a fashi a bashi wa ansu ta kai su ta bamu kun ci a gamu ba su damu da mu ana ta mu kashe mu sace mu suna cin zaman su su sare su rinki sun matsi sun amshi vie est un combat qu'il faut surmonter, ménager, contrôler, savoir bien qu'il est avancé pour résister, exister. Pour gagner le respect de frères, de soeurs, de pères, de mères, gagner, défendre, récupérer sa dignité, soulever les défis, atteindre ses objectifs. Un uwa, mazara mata kutashi mukama magina, musaga da kafi adalci zumunci mu kwato inci da ragar mu da kunci. Mu tashi dan kanmu. musare kasamu musoju namu muzam deya yeguda, da baba maonji mukul madna muzam guda mute makajumna mukal jahil tikiya musar mulki adudi zaman takiwa, kasa da yan kasa a Allah eh eh, eh mutashira kanmu Eh, eh, eh, ewa eh eh dans mon continent le monde on ne fait qu'avancer reculer vers les néants dirigé divisé par les néants on fait néant un ouah Kutashi mo idanu dene sa hanu rangallaza tutama un ouah mu aji mu mo mu sai kunya mu haɗa kawo mu musare mu rike jimna mu mutar da jimna mu mutar da kasan mu da kafin adalci da kafin ke wa zamantakewa kasa da sa kasa a sahun gaba. Dan wana zo, elwa ta zo, mo zamna, mo so juna, de na juta ma juna, tare za mu kishin kasa. des moye na kasa muso juna la fille, chers auditeurs, c'était là le titre Yen Ouah. À présent, poursuivons notre euh, émission avec notre invité du jour, Monsieur Abdoulaye Atter Agali. Allô, le justicier, parle-nous de ce titre Yen Ouah. Ok, ce titre Yen Ouah, un titre, un titre dédié vraiment à mon peuple. Ça signifie quoi même en français Un Ouah, un Ouah, mes frères. Frère, un Ouah, mes frères, mes soeurs. Voilà quoi. C'est un titre que j'ai vraiment réfléchi, vu vraiment la tendance actuelle. C'est juste c'est un message que, que je lance au niveau de mes frères et sœurs pour vraiment se tenir debout et pouvoir faire face à la situation dont on vit. Il faut vraiment se tenir pour pouvoir supporter. Parce que là, étant couché, je pense que ça ne va pas du tout aller. Et donc, j'ai vraiment réfléchi, j'ai dit pourquoi on n'est pas à travers la musique, envoyer des messages pour inciter les gens vraiment à aller de l'avant. aller de l'avant. Voilà. Mais est-ce que la musique nourrit son homme ou bien vous avez d'autres activités à part la musique Bon, comme je, comme je l'ai dit, je suis enseignant. on arrive vraiment à travers l'enseignement et bon, bah, à joindre un peu les, deux beaucoup. D'accord. Hmm. Alors, euh, pouvez-vous nous parler de votre dernier album Mon dernier album, bon, j'ai même pas fini le premier d'abord. Ok. Voilà, le premier c'est Akam en Afrique. Et le deuxième album c'est Criminals. Et il contient combien de chansons là-dedans Bon, c'est 12 titres. Pour le premier Pour le premier, euh, bon, 10 titres. 10 titres. Et le deuxième C'est 12 titres. 12 titres. Dans ce cas, vous avez deux albums à votre actif. J'ai bon, le deuxième album n'est pas d'abord euh, sorti, voilà, mais pour le moment le premier, parce que comme je vous l'ai dit, bon, c'est pas du tout facile. Parmi euh. vos chansons, on peut savoir quelle est votre chanson préférée et pourquoi le choix de cette chanson. Bah, People. C'est la chanson préférée. Voilà, parce que là, People, vraiment, ça parle, c'est mais ça sérieux ça, j'ai lancé, juste un, un appel vraiment à l'endroit de mon peuple pour qu'il puisse se ressaisir, pour qu'on puisse, ce peuple-là puisse vraiment s'entraider, tolérer certaines choses, qu'on puisse vraiment vivre en paix, surtout la cohésion sociale la chose la plus importante. Vos titres là, ça parle de quoi Toujours c'est la société ou bien Bon, pas la société parce que ça dénonce, ça sensibilise, ça fait appel, ça encourage l'unité. Voilà, je pense que j'ai pour slogan justice, vérité, unité. J'espère que prochainement, vous allez chanter aussi pour les femmes. Non? ah, ça, fait partie de mon projet. <laughs> ok, d'accord. Quels sont les plus grands défis que vous avez rencontrés dans votre carrière musicale Bon, les difficultés sont toujours les mêmes. C'est toujours le côté financier. Des fois, on a vraiment du mal à joindre ses bouts. à restreindre son, sein sur le problème. sinon, écrire, il n'y a pas de problème. Je peux écrire un album en une seule journée, mais bon, la réalisation, c'est ce qui cause problème. Mais est-ce que vous avez l'habitude de faire des concerts ou bien Bon, moi j'ai jamais, mais quand même, j'ai été invité au moins à deux reprises à l'université. Voilà, je pense que c'est tout. J'ai pas pour le moment pu réaliser ou bien programmer un concert. Ok, d'accord. Un mot ou bien pouvez-vous nous faire aussi un acapella pour nos auditeurs et pour nous aussi ah. Ça <laughs> ah, senti. Un acapella, un acapella. Hmm. Vous pouvez pas. Bon. aimez de vos chansons, c'est tout. Ok. Hey, Niger. Hey, Nisha, Nwana, El Uwata, Nakuduga Basage, Wada Yama, Kuzo Muso, Mukama Majuna, Modokodo Godani, Anisha, Nisha Tamuti, Bata Waneba, Kutashe Mutadaka Samo, Kasame Girma, Kasame Dagaja, May Albarka, Nisha. Niger ikon Allah ne ba na wani ba su sai su roka su bar mu na tamu wa kar mu ba su damar su zo su gaba mu wa jona wa jona daina kama jona Voilà, merci beaucoup le justicier d'avoir accepté notre invitation. Merci. Excellente journée à vous, merci. Merci, merci beaucoup. vraiment. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de votre émission Le Niger sur Kalangu. On va parler de santé aujourd'hui, Sali. La rubrique santé d'aujourd'hui traite de la maladie des pieds beau. La maladie de beau chez les enfants est une maladie qui existe bel et bien au Niger. Quand elle n'est pas, elle n'est pas traitée, elle peut entraîner des complications sur la santé et la vie économique de l'enfant. Pour en savoir plus sur le sujet, je vous propose d'écouter Hamal Kassoum, responsable de la consultation au niveau de l'hôpital Cure. Il est interrogé par Habib Ahmed. Il faut comprendre que le pied beau, c'est une maladie qui est caractérisée par une déformité au niveau du pied qui se distingue en deux types. Il y a la forme congénitale que les enfants naissent avec et aussi il y a la forme que les enfants acquièrent suite à une injection ou bien à un traumatisme. Quelles sont les causes de cette maladie Il y a les causes congénitales. L'enfant vient au monde avec cette déformité-là. Les parents ou bien depuis l'accouchement, les sages-femmes constatent la déformité et ils vont informer les parents que après les cérémonies de partir à l'hôpital pour la consultation. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les formes qui sont acquises après la naissance, c'est-à-dire soit la personne fait un traumatisme, il y a un nerf qui est paralysé et qu'il y a une déformité qui s'installe au niveau du pied, soit à l'hôpital on lui a fait une injection au niveau du membre inférieur et cette injection a été mal faite et maintenant ça entraîne une paralysie aussi d'un nerf et ça entraîne une déformité du pied. Docteur, quelles sont les conséquences de cette maladie Comme conséquence, ce qu'on peut vous expliquer, c'est lorsque le pied beau n'est pas traité, l'enfant peut être euh, vu comme une personne handicapée dans la société. La marche est tout un problème, c'est difficile et surtout avec le temps, si c'est bilatéral, si c'est les deux pieds qui sont paralysés, ça sera très difficile pour l'enfant de marcher. Et avec le temps, l'enfant sera obligé de vivre dans la mendicité. Et c'est ce qui n'est pas bon. Alors que si l'enfant a été vu aussitôt et que l'enfant a été pris en charge, l'enfant pourra être réintégré dans la société et ça pourra lui éviter d'être mal vu par la société. Alors, comment se fait la prise en charge Nous, ici à l'hôpital Cure des enfants Niamey, nous sommes un hôpital de gratuité. Nous traitons les enfants de 0 à 18 ans sans frais d'hospitalisation, sans frais de consultation. On ne prend pas d'argent avec eux parce que nous avons des donateurs qui nous viennent en aide euh, par rapport à cette prise en charge des enfants. Donc la prise en charge, elle se fait sous deux volets. D'abord, on commence par euh, un traitement orthopédique des séances de série de plâtre. Après, quand on essaie de corriger la déformité, donc il y a une petite chirurgie qu'on fait après pour pouvoir correctement obtenir ce qu'on appelle euh, la position normale du pied. Donc cette chirurgie, elle se déroule euh, en quelques minutes des fois, ça peut aller en une heure de temps, c'est pas une grande chirurgie. Après la chirurgie, on garde la personne pour une surveillance de quelques jours. Après, on relâche la personne et on fait des séances de ce qu'on appelle euh, ici chez nous follow-up, euh, visite-retour. Chaque fois, on le voit en visite-retour pour évaluer l'aspect du pied, comment ça évolue. Et quand on a obtenu une bonne position du pied, on prend des photos, on publie sur notre page web pour informer la population que c'est une maladie qui est traitable ici chez nous et que c'est pas un truc où il faut garder. Donc, s'il y a d'autres enfants qui ont cette déformité, vous pouvez les envoyer chez nous. On est là pour ça et c'est notre mission. Merci Habiba pour le reportage. Marquons une petite pause musicale avec Copto de Abdul Salam et les Tandistes. zo daga wani dan ba zabar me ana ce mai kudi zai na te mai hai kudi zai garbayin ya kulutin da kwafto a nai sai duba gara no ga kano nai sai duba gara no ga kano na duba gara no ga kano na jo kulutin da kwafto a nai sai damu no ga kano nai sai damu no ga kano dar mai ganana ita borna dibi dar mai bugano malai jo போன்ற தீவுகள் ಸಮಯವನು ಬಲ್ಲೈದೊಂದು ಮನಪುಲು ಕೈಗೈಗಿ ಮನಪುಲು ಕೈಗೈಗಿ ಧರ್ಮೈದ ನೈಗೈಗಿ ಕಮ್ಮಾಯೋ ಮಾತಿ ಕದೀಜ ವಲ ಕಮ್ಮಾಯೋ ಅತಿ ಪಾತಿ ದಿನೈತೆ ತೂಗಿ ನೋರು ಐಮಿ ನೋಡು ಬಗರ ಮೋತು ಹಿಂದ ಉಂಡು ಬುಂಡು ಮೋತು ಹಿಂದ ಸಿಗಾದೆಗೆ ಗಾತು ಹಿಂದ Copto, chers auditeurs, ce son a été composé par l'artiste Abdul Salam pour taquiner ses cousins à plaisanterie. Les qui, selon lui, sont les plus grands consommateurs de Copto. Il faut noter qu'Abdul Salam est un artiste chanteur, compositeur, interprète, mais aussi musicien. Il maîtrise plusieurs instruments musicaux, notamment la guitare, les jambées et le gourmi, son instrument musical favori. ai mo balle kai na nandi darmai ai kai yanno darmai ai ba ga yanno e ai gi to nya daino dine mo i hau zama kai ti ha ma bakko apurunya hanna daino za no gahampa ma ga aga za no gahampa ka kol ma ga vermeyi gazana ida porunga dini kai vermeyi gazana bandai no goga warai vermeyi gazana ida porunga dini vermeyi wakanu bandai no goga Kwarai, kwarai, kwarai, kwarai. Ta zabar ma ba. au studio après cette belle musique pour écouter notre reportage rejoint qui nous amène à Difa pour parler de Kegini et Kidi. En effet, Sali, les Tchegini et les Kidi sont des tam traditionnels à Toubou. Ces tam-tams occupent une place très importante dans la tradition Toubou. Ils contribuent à la cohésion sociale et sont généralement utilisés lors des cérémonies de mariage, des baptêmes ou des foires artisanales. Moussa Kouri, un détecteur de la culture Toubou, explique au micro de Abdoulaye Mena. al'ada ne na tubawa tun zamani na kakanninmu zuwa yanzu har yanzu ana ta gudanarwa zamani ne ya zo da shi mu ma muka tashi muka gan su ana ta yi shiganni wanda ana bugawa tubawa ne suna bugawa ba ganga ba ne shi ana dirme shi kan kwano haka irin tiya koko da kwarya da fata ne za a sa shi a nade shi da za a sa zare biyu zare dai mai kwari guda biyu za a darme shi da ice sau kamar metir guda haka a sa a darme shi wanda suna buga sun san yadda za su rera shi mutum dai ne ke kada shi mutum dai ne ke kada shi kuma duk yadda ya kamata yana rera shi a cikin cigini din hallo kuma zuwa bakin shi ma yana rera shi kidin yana bi daidai yadda bakin shi yake faɗi daidai wa daida to kidi ma irin za iya cewa kamar cigini yake shi kuma buga ne aka yi shi kamar ganga yake gefe biyu yake da shi ba mutum dai bane yana buga ko mutane nawa ko guda uku ko fudu ko biyu ko ɗaya mai ke buga amma kowa da nashi amma shi ba da kwano ba ake riya a ba da kwano ba ne yadda ka san ganga yake wannan shi ma kidin ma ganga ne ba irin ganga masu fadi manya ba ne shi ganga ne irin siriri haka ba mai fadi ba yana da sai shi ma kamar metri guda ne tsawon shi wannan sai a cikin kabila ba tube ko akwai wani kabila a wani kabila ba shi ma cikin kabilan tubawa ne kaman a waɗansu lokuta ne ake iya yin wannan kidi na tagini da kuma kiri to tagini da kidi wannan taro irin na biki ko suna ko da taron irin su farom haka irin na artizana musamman na artizana wannan yin ana taruwa kowa wanda yake nuna al'adun nashi nuna al'adu wannan to su ma suna nuna shi kidi da cigindi wannan menene mahimmancin shi ko kuma wani matsayi cageni da kidi suke da a cikin kabila batube to cageni da kidi wannan al'ada ce na tubawa ne yana da muhimmanci sosai a cikin gabilan tubawa ko kana central africa ko da kana kasashen europa wannan kasashen waje in ka ji cagani wani kasan tubawa ne suka rera shi kuma suka buga shi kamar har yanzu akwai wannan al'ada ne na kidan gini da kuma kiri a cikin al'adan batuwe din koko dai wannan al'ada ta soma bacewa so wannan cegini da kidi wannan har yanzu bai bace ba yana nan yadda aka fara shi tun farko har yanzu yana nan amma matasan yanzu wani su ba san darajan shi ba ne shi yasa ba irin na da ba ne amma dai shi dai yana nan har yanzu daren dam musamman ma kauyuka suna yi har yanzu ba su bari ba duniya yanzu fa ya ci gaba musamman ma irin taro na kasashen manya-manya wanda idan aka taro su ma zuwa suke yi suna buga suna redawa nuna al'adu ba su bari ba har yanzu suna yi dai to kai a ganin ka menene ya kawo matasa suke ja da baya da wannan al'ada ta su musamman ma matasa na kabilar dubawa to wannan za ya cewa zamani ne ya kawo haka yawanci duka dai ba su san yadda suna buga caginin ba ne shi yasa basu ba muhimmanci ba to kamar kai misali yanzu a ganin ka ya kake ganin in aka yi a farfado da wannan al'ada sama ma inda aka bar shi domin a sake dawa su kuma matasa da ba san shi ba su san shi in za a so a farfado da wannan al'adun ya kamata ko da cikin shekara ɗaya haka a taro kowane gabila suna nuna al'adun nasu eh, haka idan za a yi kowane shakara-shakara to wannan abun ba zai bace ba yana nan kuma haɗin kai ne na al'umma ko in ce da na gabilu Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, c'est l'heure du sport et nous sommes avec Hassumi Gourouza. Bonjour Gourouza. Bonjour Salamatou, bonjour Myriam. Bonjour Gourouza. Apparemment, tu n'es pas en forme là. Tu as pris du café je vais prendre après. <laughs> D'accord. Gourouza, le samedi 17 juillet 2024, le président de la Fédération nigérienne de football a rencontré les acteurs du football de la région de Niamey. Oui, Salamatou, après avoir effectué une tournée à l'intérieur du pays pour constater de près les différentes euh, réalisations faites par la Fédération nigérienne de foot et discutées de plusieurs points sur le football nigérien. Et sur le tour de la capitale de recevoir le président colonel-major Jibrila Hima Hamidou Dipeli. Les discussions portées sur les compétitions nationales et internationales dans lesquelles le Niger est engagé. Identifier également les besoins et les défis auxquels le foot nigérien est confronté. Il a également parlé de la formation, la préservation des acquis en infrastructures sportives, la gestion des jeunes talents. Bref, c'est une rencontre en famille qui a permis aux uns aux autres de prendre la parole. Gourouza, nous allons la découverte d'un littère qui a marqué de son empreinte la 44e édition du sabre national. Il s'agit des Akiru Zakari d'Etawa. Oui, originaire du village de Kalang. C'est dans la commune urbaine de Bombay, région de Tawa. Depuis son enfance, il était passionné par la lutte traditionnelle. Après un séjour en Côte d'Ivoire, où il a commencé à lutter avant de rentrer au pays pour exercer l'activité qui le passionne tant. Il a entamé sa carrière en 2018, l'année où Yaya Kaka a perdu la finale, vous vous rappelez, à Zender, contre Tassiou Sani de Zender. Mais c'est l'ancien cadet de qui l'a déniché et le fait venir dans l'écurie de Tawa. Âgé de 26 ans aujourd'hui, célibataire Zachary Zakriou est un lutteur professionnel. Il exerce aussi dans le commerce à Tawa. Mon but ultime, c'est de voir un jour décrocher le sabre national, a précisé le lutteur Zakirou. Voilà pour le sport d'aujourd'hui malgré que c'est peu, mais j'espère que les gens sont compris. Merci beaucoup, Gourouza, chers auditeurs. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez actuellement l'émission Le Niger sur Kalangou. Il est 11h passé de 38 minutes. Et sur l'heure du portrait du jour, Mariam, tu nous présentes qui ce matin Salam elle âgée de 25 ans. Bachira Garba se distingue par son dévouement de la promotion des droits des filles dans la région de Dosso. Son engagement tant sur le terrain, sur le terrain qu'en ligne témoigne d'une détermination sans faille à améliorer les conditions de vie des jeunes filles et à lutter contre les défis socio-économiques des filles de sa région. Suivons son portrait avec euh, Mama Ada. tare da tsarin karatu mai zurfi cikin makarantu na gaya da yamai bashiratu garba kwangize ta bambanta a game da niyyarta na bunƙasa 'yancin ɗaya mata tana da kofa a cikin ayyuka da dama da ke shafar kare da bunƙasa 'yancin ɗaya mata Ina kawo ta gudunmawa wajen kare 'yancin mata ta hanyar kawo gudunmawa ta wajen ƙarfafa ma tsarin karatun 'yan mata da kuma dubarun yin kasuwanci kwarin gwiwa sannan kuma da bunƙasa siyasar samun 'yancin mata da 'yan mata. ta da horon da ta samu a fannin sadarwa a jami'ar doso bashiratu ta shiga kungiyar masu amfani da yanar gizo chada siber guardian na yankin doso wanda burin shi shine na yaƙi da labarin ƙarya da ake watsawa a cikin shafukan sada zumunta kamar yadda kuka sani yau kan yanar gizo ana samun saƙonni barkatai a matsayina na 'yan mata ya kamata in yi yaƙi da wannan al'amarin ta hanyar wayar da kan matasa kan illolin wannan bayyanan da basu da tushe da kuma nuna ma matasan hukuncin da doka ta tanada ga wanda ya aikata irin wannan laihin na yada labarin ƙarya. abokanta da masu taimaka mata na bayyana ta a matsayin yariya wadda take da kwazo da kuma niyya da kuma ƙoƙarin cimma burinta Rama ki don Mace ce da take iya ƙoƙarinta na kare haƙƙin 'yan mata da mata. Abin da ya shafi kawar da labaru na ƙarya tana ƙoƙarinta. Ta kasance madubi ga sauran mata domin yaƙi da kare haƙƙin 'yan mata da mata. yankin da na fuskantar kalubale musamman auren ƙananan 'yan mata da kuma rashin damammaki ga waɗannan 'yan mata na kafa masana'antunsu bashiratu garba kwangize ta ce ta ɗauki niyya domin kokowa da waɗannan matsaloli Merci chers auditeurs et merci beaucoup à Maman Ada de nous avoir réalisé ce beau portrait. Fidèle auditeur, allons pour notre tour à musique pour retrouver Mouma Boba qui nous chante ici Jeunesse Athéna. and then my thoughts are fuzzy. place à présent à notre loti du jour. Mariam, le loti parle de quoi Salam à tous les femmes du studio Kalangu Partage le meilleur pratique pour s'occuper des enfants pendant la saison de pluie dans la rubrique loti d'aujourd'hui. Ces conseils incluent ainsi des astuces pour assurer la sécurité des enfants pendant les intempéries afin de prévenir les maladies liées à la saison de pluie. Écoutons Hawa Ousmane, Mariam Jarmakoy et Samira Rouafi. Matsuki-ji, Matsuki-ji, Matsuki-ji, Matsuki-ji, Matsuki-ji. Ei, Matsuki-ji. abokaina yaya ne ake ciki a wannan lokacin na damuna kuna ganin gata nan ta shigo da ƙarfi ina ta shawarwari ni kaɗai na ce tsaya dai in taɓo ku ya ne kamata mu kare yaran a wannan lokacin. ya ne hamsa kina lafiya to ni ina ganin kamar yana da muhimmanci mu kula da kayayyakin da suke sawa ya kasance kuma kamar masu zahi ne a sa musu wasu hulluna don ma ba mu sa musu abubuwan nan da ake sa ga hannu don kare kananan yara don kaɗari ya samu ya kama su. haka ne zara na yarda amma yaya za mu yi da gidaje yaya za mu yi gidanmu ya kasance kullum a cikin ɗumi kuma ya su shi daɗin zaman shi haka take amsa ki ta yi daidai anna ina gani yana da mahimmanci sosai mu tsabtace gidajenmu a kodayaushe sannan kuma mu kula sosai da shiga da fice na yara kina da gaskiya fa hamsa kuma ina so in tambayi ku me za ku ce game da abinci da wani ruwan sha ko abin sha hakan ga Shin kuna da wasu shawarwari da za ku ba mu ta yadda za mu ba mu abinci na kwarai mai gina jiki a cikin wannan lokacin na sanyin damana? Haka ne Zara, ina gani lalle ya kamata a basu abinci masu gumi da kuma masu gina jiki. Sannan kuma mu kula su rika shan koko mai gumi da zazahi. Hakanan zai sa sanyi ba zai kama su ba. To, ni yanzu kun yi zancen zazahi, kun yi zancen a gungun ɗaki. To, kun san da cewa yara ba su zama sun wuta waje ya kuke ganin cewa idan sun ta yi wajen nan za su zama cewa suna cikin kariyar rashin kamuwa da sanyi su zama kuma a kodo jikinsu a cikin gumi gaskiya hamsa wagga tambaya ce mai mahimmanci ni a ganina yana da mahimmanci mu kirkiro musu wasu wasa da ya kamata su yi wanda za a tabbatar da cewa ba za su kamu da sanyi ba kuma kayayyakin da suka sa sun dace da yanayin da muke ciki kuma a tabbatar cewa da sanyi zai hwaga sabka ko za a hwaga ruwa a tattaro ga duka a sasu cikin gida lalle na yarda zara na gode yan uwana mata da wannan hira da muka yi mai mahimmanci ina ga yanzu na samu dubaru da dama ta yadda zan kula da lahiyar yarana kuma in kare su daga sanyi a cikin wannan lokacin damana madalla anna a jimilce dai zan iya cewa kawai mu kiyaye kuma mu ɗauki hanyoyin da suka dace saboda ta haka nan ɗai ne za mu samu mu kare yaranmu a cikin wannan lokacin na damana da kuma sanyi da ke ta shigowa. To kun gani aka ce shawara ɗaukan ɗaki ‘yan uwana gashi nan mun yi tattauna kuma mun samu dabaru. Allah ya kare mu da mu da yaranmu. Na gode muku. Amin. c'était le loti du jour. Dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Maman Ada pour la culture linguistique et nous allons découvrir ce que signifie l'expression compétence en français et en hausse. Maman Ada. Eh, salamatu barka da warhaka yau za mu magana kan kalmar uh, kwamfitansa kwamfitansa da hausa za a cewa kwarewa ana so a samu kwarewa mai zurfi ga duka wani aikin da za a yi wanda za ka ya sa ka, ba da ra'ayinka mai kyau wanda za a ɗaukar mataki kan wasu abubuwa musamman wajen aiki ana buƙatar kwarewa ta ma'aikaci domin ya aiki ya kyawu ana iya cewa ana da kwarewa wajen iya abinci idan an ce mutum ya kware wajen abinci kenan zai iya suna zai kyau wajen aikin nasa na dafa abinci sannan kwarewa ta bambanta daga uh, ma'aikata ana buƙatar cikin ma'aikata a ce ma'aikatan suna aiki tare da kwarewa wannan zai sa ma'aikata ko wani kamfani ya samu ci gaba sosai kuma sannan a ƙara haɓasa ayyukan na kamfanin ta yadda kuma su ma'aikatan za su samu albashi mai tsoka eh, kin je takamaiman abin da za a iya bisa kwarewa wato kwamfetansa a harshen faransanci Eh, mama Ada, une phrase là. « Anang kalangu muna yi aici mai kwarewa. kamar anan kalangu ma'aikata suna taka rawar a zuwa gani ta hanyar aikin da suke yi kwarewa ciki. Voilà, merci eh. beaucoup Mama Ada. Merci Mama Ada, chers auditeurs, si vous avez d'autres mots expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek et Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal au message au numéro 82 89 89 64. Justement, Sali, nous allons écouter les messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. assalamu alaikum suna na malam abdu farizan na asosiyan ta donar da san reshen gunduma arlit eh, radio kalango a kodon lokaci duk marece na allah ina sauraron su ina jira gaskiya duk a cikin kasar nijar kowace department kuna da wakilan gaskiya shirin ku yana kayatar da mutane a hakikanin gaskiya tsakani da allah sai mu ce alhamdulillah radio kalango tana waye ma mutane da kai tana talakawa da kai birni da kauye bisa kan tahiyar da zamantakewa rayuwar zaman duniya sai mu ce nan masha allahu alhamdulillah muna kai godiya ga radio kalangu eh to musamman dai gaisuwa ta ta farko dai ina gaida alhaji bubakar wanda ke da kes a ne bayan kwamsiriya ta arlit fas ɗin ina gaida bilande ina gaida abokina mamman gungu ina gaida abokina ada wanda ke can garin akokan ina gaida alhaji habu mai atamfa ina gaida alhaji zabaru alhaji dinar da ina gaida su ina gaida aliliyo ladanin mu na kominak na mustapha mahmudu da ke madobi gaskiya shirye-shiryen studio kalangu suna burge ni musamman ma shirin da suke yi na na faɗakar da matasa na ƙarshen makon na wanda suke shiryawa da harshen faransanci da na zabarmanci da na hausa gaskiya wannan shiri yana wayar da mu musamman ma mu matasa saboda matsalolin matasa ne ake ɗaukowa ana wayar musu da kai yadda za su samu su ci gaba gaskiya studio kalangu muna alfahari da ku muna so ku ƙara inganta shirye-shiryenku musamman ma bisa kan harkar matasa. Sunana na Nasuwai ba mutanen gunnaka. A matsayin na na mai sauraren radiyo lokacin wannan sidiyo in yayi ina kamo shi saboda harakan mu ce ta yaran mu uwayen diya kuma na hidda kai duka ma musulmi dai kowa na karuwa to saboda haka ni ma ina sauraren shi ina cinta abubuwa daga ciki na karuwa saboda tun da shiri ne da ake yin shi yana faɗakarwa yana waye kan mutane kuma al'amarin nan mutum da yawa na karuwa da shi kuma mu ma muna sauraren shi matsayin mu na manya uwayen diya kuma alheri ya shige gaba kuma muna fatan Allah ƙara hasken kwalwa kuma al'amura su yi ta ci gaba a ƙara ilimi da yawa ana faɗakar da mutane mu da shirin da suke duka dai wanda aka faɗi ba na shirme duka duk wanda aka faɗi in an faɗi da harshen hausa muna ji kuma da abin da aka faɗi dai daga ciki allah sa albarka eh dai akwai wanda za a ɗauka a yi aiki da shi ko babba ko yaran duka akwai na karuwa ciki eh tunda kuma duk wani abubuwan ba ka sane shi sai wurin su sa su banyanar da shi kuma muna jin shi suna faɗi dai fatan da muke Allah sa a yi aiki da abin da aka ji na karuwa wanda kuma aka ji ya zama yawa kuma sai a yi kuma haƙuri da shi eh bare dai duka ma dai dai faɗakarwa ce ake eh ana dai ƙara ƙasa ne dai abin da za a hidda ta eh Allah taimaka kuma ubangiji Allah ya ƙara ba da haske cikin al'amarin ina gaida kowa da kowa ma'aikatan sidiyo eh alherin Allah ya kai musu ina ji duka dai duka wanda ake na rayuwar matan eh muna ji suna yin shi sunana abba gama mai biredi muna sauraren shirye-shiryen studio kalangu lokaci zuwa lokaci amma cikin shirye-shiryen da nake saurari wanda dai na dan ba da muhimmancin sauraren su akwai shiri wannan na waye kan matasa game da wannan shaye-shaye haka da sauran irin ayyuka na ɓata gari haka na matasa kuma da jan hankali ga matasa domin su kama sana'a ita ce ta muhimmanci a gare su to wannan shirin gaskiya ina bibiya shi da kyau kuma kamar ga yadda suke da kokari don samun jawo hankalin matasa a guji wannan ɗabi'u na shaye-shaye da sauransu kuma da eh, a kama sana'a don a dogara ga kai ni abin da nake so kamar wannan shiri na jawo hankalin matasa shine nake so a ƙara ƙarfafa shi in so samu nema a ce a ko da wani lokaci sahi da mulci Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. la jeunesse est sacrifiée. L'alternance est modifiée à son propre sort, elle est liée. arrêter kalir jajaya kumbogo kasar kubar machire kalmago ko korbo bero chire haini chira ka wo mato fu date na ji fu borai na gawi chira wo ki ga dur ka danjeriga imadan kwara inkine girmadi labo ganja sigan jamaye darme dulla ni mola gahe mola biyo da dulla mes fejere de la baba dulla mola maye tabu size aika sambai Voilà, chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalango. Au micro, c'était Mariam Adey et moi-même Salamot Kadiri. À la technique, c'était Mustafa Ayouba et à l'addition, c'était Adam Adawaki. Excellente journée à vous. Bye bye.